Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, soyez les bienvenus sur euh, cette, émission aujourd'hui. Ah, nous sommes toujours sur euh, l'émission euh, où on parle, de l'émission du jihad et on fait l'éclaircissement sur euh, l'utilisation, euh, le mauvais euh, usage et aussi à l'abus de la notion de djihad. nous sommes au 32e épisode de cette émission et aujourd'hui nous sommes toujours sur la question des textes qui sont souvent mal interprétés du Coran et qui sont relatifs au djihad. je m'appelle Teslim Adiyema et avec moi dans ce studio aujourd'hui, Lager, j'ai Abraham Moukaïna et aussi euh, l'Oustaz Murtala Saad. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Euh, Oustaz, euh, soyez le bienvenu, Inch'Allah. Euh, j'aimerais commencer avec l'Oustaz euh, euh, Murtala. ma première question aujourd'hui se porte sur la question du verset 193 du chapitre 2 du Coran, comme preuve que l'islam favorise la lutte contre les autres jusqu'à ce qu'ils deviennent tous musulmans et la, et, la religion d'Allah ou l'islam prévaut sur toutes les autres religions. certains musulmans interprètent ce verset comme signifiant que tous les non-musulmans devraient être combattus euh, jusqu'à ce qu'ils adhèrent à, l'islam et qu'un gouvernement islamique soit établi, la khilafa, euh, étant donné que le Coran dit explicitement, explicitement qu'il ne devrait pas y avoir des contraintes religieuses. Qu'est-ce que euh, se trouve dans l'interprétation correcte euh, de ce verset بسم euh, Allah subhanahu wa qui nous a une fois encore donné l'occasion de se retrouver sur ce plateau toujours parler sur euh, ce thème combien important. Euh, il s'agit de euh, la notion du djihad en islam. Évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala, le verset dont vous venez de citer, qui, est, qui se trouve dans Surat 2, chapitre 193, c'est-à-dire Surat al-Baqarah, là où Allah subhanahu wa ta'ala disait وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين mais cette euh, compréhension et cette euh, implication euh, ou cette compréhension de certains qui pensent que quand Allah subhanahu wa ta'ala ici de combattre les non-musulmans jusqu'à ce qu'il y ait tout le monde devient musulman, cette compréhension ne trouve pas sa place à l'islam. Pourquoi Parce que euh, pour comprendre certains versets, il faut nécessairement, comme on l'a toujours expliqué, se référer à, au, à la parole Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus précisément ici, se référer à la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lequel le Coran a été descendu. Elle a vécu euh, ce Coran-là et, et si on regarde dans sa dans sa, dans sa biographie, on comprend bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était resté à Medine avec le même musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était resté, on, se souvient toujours euh, de son bouclier qu'il était resté euh, euh, chez un homme musulman et il avait aussi un voisin non musulman et, et c'est là, ça continue aussi jusqu'au temps de de, ces califes euh, qui l'ont succédé. Donc, euh, cette euh, compréhension et implication du verset n'est pas ce que nous avons vu dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et, personne ne connaissait ou ne comprenait le Coran et la Sunna et leur implication mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. donc, ce qui indique une mauvaise interprétation hein, du verset. Donc, euh, l'explication de compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand vous prenez l'exemple d'Ibn Omar hein, et aussi Ibn Zubair, hein, sur la signification de ce verset, il disait que les agresseurs doivent être combattus jusqu'à ce qu'aucun musulman ne soit plus menacé de mort. Et dans la station à raison de sa religion. Donc, on doit combattre les musulmans jusqu'à ce qu'ils permettent aux musulmans hein, de pratiquer la religion, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas un musulman qui va être inquiété ou, bien arrêté hein, à, cause de sa foi islamique. Et ça, c'est aussi un avis euh, euh, partagé par euh, cet éminent chef qui s'appelle Khalid Abdul dans son euh, document intitulé Fiqh al-Aqliyat cest c'est-à-dire jurisprudence euh, euh, du musulman qui vivait dans un État où euh, dans un État majoritairement chrétien quoi, ou non musulman. Donc, cette expression qui dit religion est pour Allah, hein, juste à ce que la religion soit pour Allah signifie que euh, on doit combattre les mêmes choses jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit adoré 50 et sans crainte de persécution. Et que ça veut dire que personne ne soit, ne soit, ne soit, ne soit pas euh, obligé de se euh, prosterner devant un, un, autre être. C'est-à-dire, il ne doit pas adorer quelqu'un qui n'est pas Allah. Donc c'est ça la signification de euh, jusqu'à ce que la religion soit à Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, jusqu'à ce que personne ne soit obligé d'associer de partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'a jamais été hein, entendu du, euh, de, de aucune contrainte religion. Donc euh, et, et donc, une telle contradiction n'a jamais été vue dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son compagnon qui comprenait mieux hein, ce qui c'est le Coran, ce qui c'est l'islam. Masha'Allah, ah, ah, merci beaucoup, ah, Ustaz Abou-Rahman, Dans un autre verset du Coran, mm-hmm. le verset du chapitre 8 verset 60 du Coran, on demande aux non-musulmans, on, demande plutôt aux musulmans d'être préparés, militairement à terrifier ou à effrayer leurs ennemis. Ah, ce verset est interprété par certains musulmans et non-musulmans pour signifier que les musulmans devraient inciter la peur et la terreur ah, dans le cœur de toutes les personnes à d'autres confessions. Ceci est entendu pour justifier également divers actes de terrorisme quelle est l'interprétation correcte de ce verset Alhamdulillah, wa Alhamdulillah, merci une fois de plus de euh, m'avoir donné la parole pour essayer d'apporter ma pire contribution. Donc, euh, je ferai de mon mieux pour, euh, avec ce que j'ai appris, avec les érudits, les grands musulmans, les grands savants, donc, par rapport à, ces versets-là, le verset, pratiquement le verset 8, euh, pardon, le chapitre 8, verset 60, là où Allah demande euh, à la communauté musulmane, prophète et à ses compagnons d'être prêts, ça c'est à titre dissuasif. Par exemple, de nos jours, il y a beaucoup de, il y a, certains pays qui ont même la bombe, atomique. Mais il ne suffit pas d'avoir la bombe pour la bombe pour larguer. C'est à titre dissuasif. Donc l'islam aussi pour essayer de faire peur. Quand on dit faire peur, parce que quand vous êtes vulnérable, l'ennemi peut facilement vous attaquer. Maintenant, les musulmans, on a vu que même les pactes qu'il y a eu entre les musulmans et les non-musulmans, il n'y a aucun pacte que les musulmans ont eu à violer. Chaque fois, c'est du côté des ennemis. Donc, cette interprétation, en réalité, si on dit, les gens confondent légitime défense et terrorisme. Quand on dit la légitime défense, vous êtes là, vous vous équipez. Si quelqu'un vous attaque, vous l'attaquez comme l'islam a dit. Mais quand quelqu'un ne vous attaque pas, vous n'allez pas l'attaquer. Et on a vu même qu'avec euh, l'islam, il y a même des armes conventionnelles et des armes non conventionnelles depuis la nuit du au temps du prophète Mohammed. Donc, selon les Coran, le verset dans, lesquels lequel on a dit Préparez-vous, donc préparez-vous. Et dans le, degré le plus ultime, Il serait dit, par exemple, ici, dans le monde contemporain, pour le moment, le degré le plus ultime, c'est d'avoir l'amour catholique. Peut-être que pour certaines raisons, on peut empêcher ou bien on s'est donné le droit d'empêcher à d'autres pays, pensant que euh, quand ils auront cette arme-là, peut-être ils vont agresser les autres. Mais tant que vous l'avez, vous avez cet arbre dissuasif et que vous, à votre niveau, vous pouvez vous empêcher d'agresser les autres. Mais quand vous êtes agressé, là, vous serez en position de légitime défense. Ça aurait été que Allah demandé aux gens, euh, ou bien aux musulmans, ou bien à la communauté musulmane, d'être toujours en perpétuel conflit avec les autres. Le prophète Mohammed, avec euh, le parachèvement de l'islam, il n'aurait pas vu, aurait vivre euh, un prophète harmonie avec les non-musulmans. Jusqu'à ce qu'on vu, il y a même des situations dans lesquelles c'est des non-musulmans ou même des juifs qui combattent aux côtés du prophète en sachant et sait qu'ils n'ont pas de détourner de leur foi. Il y a tout ça. Il y a quelque part là où on dit le prophète Mohammed il y avait un homme musulman qui, chaque petit matin que Dieu fait, il versait des ordures dans sa concession le prophète euh, ne disait rien, il prenait juste, il débarrassait sa maison de ses ordures-là. Et il dit, avec qu'il matinée, et il n'est pas venu verser les ordures. Il s'est levé, il est parti, il lui a dit, mais un tel, pourquoi dis tu n'as pas fait ta, tâche quotidienne Et le, le non-musulman lui a dit, mais toi, tout ce que je t'ai fait là, ça ne t'a pas écœuré Il dit, non, il n'y a pas de souci, chacun fait ce qu'il peut. Et c'est ce qui a fait que le bon comportement là, en fait, il a, il, a prononcé la de shahada, il est devenu musulman. Donc pour dire que le verset là ne veut pas dire de façon perpétuelle, de façon permanente, être en conflit toujours avec les non-musulmans. C'est quand la guerre est déclarée, je dis bien que euh, donc c'est à titre dissuasif. Maintenant, au cas où la guerre est déclarée, faites de votre mieux pour vous imposer, ce qu'on appelle être en position de force. Et surtout que eux, au grand jamais, ne vont pas agresser. Donc on dit cette compréhension et implication du verset n'est pas ce que nous avons vu dans la vie du prophète sallallahu Ça ne s'exprime nullement dans la vie du prophète Mohammed et de ses compagnons. Et quand on dit compagnons, je vais donner l'exemple toujours de notre euh, calife Omar qui avait un, un, un serviteur du nom de qui est resté toute sa vie, il ne s'est pas reconverti à l'islam, mais pourtant, il n'a pas imposé. Il n'a pas imposé. donc, cette explication, ça ne se justifie pas ni dans la vie du prophète Mohammed, ni dans la vie de ses compagnons. Et personne ne connaît l'islam mieux que celui, qui celui a envoyé, donc euh, Mohammed et ses califes euh, qui, qui ont suivi sa voie. Ça veut dire que cette citation est un exemple de citation sélective hors contexte. On a coutume de dire que si vous prenez un texte et que vous ne le mettez pas dans son contexte, ça veut dire que ça va devenir un prétexte. Donc il faut toujours contextualiser les choses pour comprendre leur sens. je vais ouvrir une petite parenthèse pour un exemple qui va dans le même sens. Là où quelqu'un il a vu un islam, un musulman qui n'était pas averti, donc un homme, un homme musulman. Donc pour l'égarer, il a dit, mais toi, tu es en train de prier alors qu'on dit que malheur à ceux qui prient. Il n'a pas continué parce que quand il dit malheur à ceux qui prient, c'est vrai, c'est un verset coranique, mais il faut continuer pour aller dans le verset qui suit. C'est pas tout le monde, c'est seulement ceux qui négligent leur prière, ils font pas ça comme ça, c'est doit Donc ça veut dire qu'ils négligent leur prière. C'est ces gens-là qui dévoilent. Donc c'est pour dire que et si quelqu'un a une intention malsaine d'égarer les autres, il va juste prendre un, un, verset, il va l'appliquer, ça veut dire qu'il va toujours donner une, euh, une, interprétation mauvaise. Il va égarer les gens. Et ce n'est pas bon tout ça. Donc le passage entier là où Dieu dit que les mécréants ne pensent pas qu'ils peuvent obtenir le meilleur des musulmans ou bien des, des croyants, et ça c'est vraiment dans son contexte, comme on a dit, la même chose avec euh, celui-là. C'est-à-dire, c'est quand la guerre est déclarée, ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout pour pouvoir vous imposer. Mais une fois que la paix est revenue, il faut revenir à des meilleurs sentiments et il faut faire la cohabitation comme ça c'est doit. L'islam a mis des relations entre les musulmans et les non-musulmans. Là aussi, on parle, il y a quelque part là où le prophète nous enseigne que vous avez trois types de voisins et parmi ces pratiques de voisins, il a, il, a, il, a, cité un voisin non musulman et il y a des rapports qui a, il a, des droits sur vous. Par exemple, eh, un voisin non musulman, au cas, quand il est malade, c'est un, un, droit pour lui que vous lui rendez visite. Ça aurait été que euh, c'est cette animosité ou bien cette violence qui devait continuer entre les musulmans et les musulmans durant toute leur vie. Ça veut dire que vous n'avez rien à foutre quand un mécréant est malade, vous allez dire, D'accord, c'est son problème. Pourtant, l'islam ne nous a pas enseigné cela. C'est pour dire que les gens-là, ils font leur propre interprétation des choses, ils prennent des, des versets, ils les ils leur donnent un sens, et ça, ça ne marche pas comme ça. Par conséquent, le contexte explique les ennemis auxquels il est fait référence ici et contre lesquels les musulmans doivent se combattre, c'est ceux qui sont déjà en hostilité, ceux qui sont, agressifs, ceux qui ne, ne permettent pas que la paix, la coexistence existe entre les musulmans et les non-musulmans. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne euh, ou une communauté n'a pas euh, la foi en islam qu'il faut être en perfect chrétien complet avec eux. Et là on dit, une fois qu'il y a la paix qui est installée, un mécréant sans mécréance, c'est à lui que ça va nuire à l'au-delà. Mais tant qu'il n'est pas agressif, tant qu'il n'est pas un problème pour l'espace islamique ou bien la communauté islamique, donc euh, euh, euh, ça, ne, gêne pas la communauté islamique. Donc c'est ce que je voulais dire. merci beaucoup. je viens très vite, Ostaz dans un verset similaire du même chapitre du Coran, chapitre 8, verset 12 à 17, alors, nous trouvons l'idée de s'aimer la terreur dans le cœur des mécréants. Alors, quelle est la bonne incompréhension de ce verset Est-ce qu'il justifie quelque chose, quelque façon, des actes de terrorisme euh, Alhamdulillah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ba'd. Um, euh, si on regarde euh, ce verset qui nous parle de, de cette compréhension Hein? qui dit qu'il faut euh, terroriser les personnes d'autres confessions, euh, évidemment, euh, ce verset coranique n'indique pas cela. ce verset est cité dans Surat 8, versets 12 et 18, je le cite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة Effectivement, c'est un pour le comprendre, il faut, euh, comme on l'a toujours expliqué, il faut regarder son contexte. Hein. c'est inversé là où Allah subhanahu wa ta'ala a de la situation de guerre, euh, euh, on comprend bien que euh, le Coran déclare ici que ce n'est pas ce n'est pas le musulman comme on vient de l'expliquer, ou bien les musulmans ne doivent pas rester dans une situation perpétuelle de guerre. et on a citer beaucoup d'exemples. Hein. Il y a un exemple qui me vient tout de suite, même euh, là euh, quand vous prenez les huit personnes désignées par le Coran lui-même, c'est qui vont recevoir la zakat. prenez ces huit personnes-là, hein, إنما الصدقات للفقراء والمساكين alayha, les والمؤلفة قلوبهم مؤلفة قلوبهم les savants l'ont expliqué, c'est des gens qui, c'est des non-musulmans qui vivaient dans, l'État islamique. C'est des gens avec lesquels on pense qu'une fois qu'on essaie d'être généreux envers eux, hein, ce, tact hein, peut hein, beaucoup jouer sur eux pour qu'ils puissent embrasser l'islam. Donc, le fait que subhanahu wa ta'ala les a réservés une partie de la zakat, ça, ça, ça prouve que les musulmans, comme ils étaient, avant, ils vont continuer toujours à vivre avec euh, d'autres personnes qui sont d'une autre confession. Donc, cette euh, compréhension et implication du verset euh, n'est pas ce que nous, nous avons connu de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et personne hein, ne peut être mieux de, comprendre le sens et l'implication du verset coranique que le prophète sallam, à qui ce qu'on a été révélé, et ses compagnons qui ont aussi vécu le meilleur des temps, comme euh, l'a testé euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, euh, ce qui implique que ce qui interprète ce verset-là avec ce sens-là, ce n'est qu'une interprétation qui est totalement erronée. Donc, le contexte nous indique clairement qu'il ne faut pas donc euh, sous-entendre que les musulmans devraient terroriser les personnes innocentes et pacifiques hein, d'une autre foi. Euh, et euh, c'est aussi le danger de prendre le texte lié à la conduite de la guerre juste après qu'elle a été commencée pour essayer de l'isoler de son sens, pour tirer de ces genres de leçons qui sont totalement erronées et de supposer que les mêmes textes sont liés à la justification de la guerre. Donc euh, très souvent, le contexte, euh, le contexte textuel aide à clarifier le sens euh, du Coran. Donc pour mieux comprendre le verset coranique, il faut se le comme on l'a toujours dit, connaître le Aswar en dessous, qui ont fait en sorte que ce verset ont été descendu au euh, merci beaucoup. Donc, euh, il faut toujours placer un verset dans son contexte pour mieux faire l'interprétation. Euh, sinon, on, fera toujours des recours à de mauvaises interprétations. merci beaucoup, Stas. Stas Rahman, un autre verset du Coran, toujours on parle toujours des versets qui, sont, qui ont été mal compris ou même qui sont mal utilisés à propos du, du, thème djihad. Donc, un autre verset du Coran, euh, c'est verset 14 du chapitre 9, sur Tawbah, qui demande aux musulmans, de, qui, dit, qui dit aux musulmans, combattez les, c'est-à-dire les gens d'autres religions, et Allah donnera la victoire aux musulmans. Cela est interprété par certains comme euh, la preuve que le Coran euh, justifie l'hostilité envers les personnes pacifiques d'autres confessions. Quelle est la compréhension correcte euh, de ce verset Alhamdulillah, euh, mais ici, dans, toujours dans ces versets, nous allons toujours réveiller au, contexte. Au fait, si vous comprenez, c'est une communauté des musulmans qui ont été persécutés, qui ont été agressés et qui sont persécutés de tous côtés par les non-musulmans. et c'est ces gens-là que Allah est en train de consoler que pour avoir la paix, pour pouvoir pratiquer la religion comme ils le veulent, donc, ils, vont, ils, vont, ils seront obligés d'aller en guerre contre ceux là qui sont en train de les persécuter. Et Dieu les console davantage en disant qu'une fois que la guerre est engagée, que Dieu est à leur côté, il va punir les, les non-musulmans, ceux là qui les ont agressés, bien sûr. Il va qu'il est en train de rassurer les musulmans, les croyants, qu'ils auront le dessus, qu'ils auront la victoire sur ces gens-là jusqu'à ce que la paix, la quiétude revienne. Maintenant, une fois que la paix, la quiétude revient, là, ils reviendront au statut normal. Au fait, c'est ce qu'on doit comprendre par ici, parce que toute chose, il faut essayer de voir des exemples palpables dans le monde moderne. Par exemple, en situation de crise, il y a ce qu'on appelle l'état d'urgence. Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais au grand jamais, on ne va pas décréter l'état d'urgence dans un secteur permanent. C'est pour une situation donnée et c'est critique, donc il faut aller au grand mot, les grands moyens. si C'est de cela qu'il s'agit. Donc une fois que la, la, stabilité et la paix est revenue, donc la cohabitation pacifique va revenir tant que ces non-mécréants-là restent euh, non hostiles envers les musulmans. Donc, c'est de cette façon qu'il faut comprendre euh, ces versets-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à vivre dans euh, euh, la, diversité, par exemple, dans, l'antagonisme, tant que l'ennemi est prêt à cohabiter pacifiquement. Par exemple, la, dont Dieu parle de ces mécréants-là, un mécréant, une fois de plus, quand il est, il est resté mécréant jusqu'à la fin des temps, jusqu'à sa mort, Là, ah, c'est à l'au-delà a châtie. Mais dans ce monde, si Allah dit d'écraser un eh mécréant, c'est quand ces mécréants-là qui constitue un danger pour l'expansion, pour la vie des pauvres citoyens, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Donc c'est de cela qu'il s'agit. que cette, compréhension et cette implication diversée n'est pas ce que nous avons vu euh, dans la vie du prophète Mohammed. Il y a même verset dans lequel est dit Aujourd'hui, j'ai parachevé ma, ma, ma, ta religion. Je l'ai parachevé. Maintenant, il y un autre verset dans lequel on a dit Mais quand, en fonction des situations, là, il faut aller au grand, au grand moyen, comme je l'ai dit. Et donc, c'est de cela qu'il s'agit merci beaucoup. Donc, on vient de, voir quelques versets euh, euh, dans le Coran euh, qui sont mal interprétés par quelques gens et qui, donnent, qui cause des problèmes dans la société parce à cause de cette mauvaise compréhension de ces versets. il faut faire attention, il faut toujours mettre chaque verset dans leur contexte. Il faut aussi s'approcher des, des, des des, des, érudits du tafsir qui comprennent bien la situation, les asbab nuzul, les raisons pour lesquelles ces versets ont été révélés, qui, qui maîtrisent aussi le contexte de ces versets, euh, pour qu'ils puissent bien expliquer à qu'est-ce que chaque verset veut dire et à quoi ces versets font référence dans la vie réelle pour que le musulman puisse appliquer ces, euh, ces principes qui euh, qu'on tire, euh, qu'on fait sortir de ces versets euh, du Coran. merci beaucoup aujourd'hui. vous êtes encore ici aujourd'hui pour faire de la lumière sur ces versets, surtout qui ont rapport au thème du djihad. Et merci beaucoup. merci à nos téléspectateurs aussi qui nous regardent à la télé et aussi qui nous écoutent à la radio. Inch'Allah, on s'arrête ici aujourd'hui. Euh, nous avons encore euh, quelques épisodes euh, dans lesquels nous allons trancher toujours les questions qui se relèvent sur la notion du djihad. Merci et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mm-hmm.